sama alaikum baax ne si comme d'habitude vidéo donc toujours si euh, paramétrage yi dañuy continuer quoi paramétrage ordinateur les paramètres salam. ainsi de suite ni ñu koy utiliser def nañ ci vidéo sur système et affichage je pense hein. personnalisation def nañ ci ñaar donc on line exactement euh, si barre des euh, paramétrage fini, exactement parce que def une vidéo sur système ba paré def une personnalisation donc tay dañuy périphérie donc périphérie moi, xam le euh, les qui les zones de sortie quoi moy day les ci ci biir ordinateur mais ci biti quoi périphérie moi, euh, so externe quoi voilà l'équipe, sur leen périphérie premier qui premier point que ngeen di gis euh, appareil Bluetooth et autres appareil Bluetooth et autres donc soo leen soo leen amee appareil Bluetooth vont tenir une ne ko euh, comment dire je ko bëgg ordinateur donc finir ngeen di ñëw directement ajouter un appareil soo bësee ajouter un appareil da lay dans ci là Bluetooth la wala clavier la parce que y a see claviers clavier des day am Il y a clavier claviers xam te ne waaw Bluetooth la a stylet stylet euh, bic le quoi bic mais bon big big big pour bind la quoi mais le plus bind day feeñ ordinateur bi. loolu la ñu périphérie audio et autres appareils euh, Bluetooth mooy Bluetooth wala CAX ainsi de suite quoi donc fini. écran ou station d'accueil euh, sans fil moniteur sans fil téléviseur ou autre qui utilise euh, Miraculous xawma sans fil donc fini, c'est pour ajouter ben écran de plus si ce appareil quoi donc de telle sorte que vous diffusez, diffuser exactement peut-être ce euh, contenu voilà donc du coup soit connecté à appareil fini euh, moi je soo connecté sa seen euh, seen télé bi ak sa ordinateur di nga gis ni day am benn euh, performance bu muy andi ainsi de suite quoi donc boobu moom mosuma ko essayé mais euh, pour loolu lañ ko defaree quoi donc fii nii fekkee da yor benn mallette Xbox ñi dee di def jeu jeu PlayStation ainsi de suite des fois day àndaal ak Bluetooth sans fil donc fii ngay dugg nga raccordé ko ainsi de suite nga am loo bëgg quoi voilà donc voilà c'est ça soo appareil wa da ngay wàcc fi man activer ma sama bluetooth moo mu nek désactivé je ne l'ai pas activé donc fi ngay gis ancien audio euh, bi moy sama dernier kasit euh, bo xam appareil bluetooth bo xam te ne connecté naa ci donc yi ñoy ancien appareil yo xam te ne connecté woon naa ci quoi voilà donc du coup yëpp ay affiché fii yëpp ay affiché fii loolu donc fii nii ñu ne la afficher les notifications pour se connecter à l'aide de couplage rapide donc fonctionnalité bi soo leen ko activé bépp or bépp bépp appareil Bluetooth boo xamante ne feeñoon na seen ordinateur ah il suffit moom mu mu activé wu rek su activé wee sa ordinateur da lay ne euh, euh, nangam euh, Bluetooth A. activé ou non léegi activé wu dafa lay laaj nga nga quoi nga nga connecté rapidement day d'aller afficher ni activé wu na su activé rek moom day connecté rapidement donc moo tax ñu afficher les pour se connecter à l'aide de du couple de couplage rapide à chaque fois notification bi day ñëw suñu nous bi su ñëwee rek xamal ni connecté non na noonu lay def quoi moo tax si 6 est sélectionnée vous pouvez vous connecter rapidement aux appareils Bluetooth pris en charge lorsqu'ils sont proches ou en mode couplage donc gis ngeen donc, film, on dirait que parce que nous téléchargé via les connexions limitées. Donc, ça demande des fois les connexions, quoi. Ça demande des frais supplémentaires. Moi, je désactiver cette opinion pour éviter les frais supplémentaires. Voilà, donc, derrière, tu aussi. donc euh, ñu ñëw fi périphérie et imprimante donc fii vous avez quelque chose vous avez ne fekkee vous avez ngeen quoi ñu et autres voilà donc lii n'a rien arrangé périphérie et imprimant donc bàyyi il bës foofu xool qu'est-ce que ça va donner voilà donc gis ngeen gis ngeen les différents les différentes kii euh, les différents appareils yoo xam te ne sama ordinateur mun na ko jël donc yii ñooy ancien appareil yoo xam te ne nañu sama ordinateur donc lii imprimante hmm, envoyé à note 16 fax hein, Microsoft ak Microsoft HP X ak on en tout cas genre imprimante yi la sama ordinateur mun a jël eh, imprimante bu mun a apte rek fii la ma koy wanal quoi ainsi de suite voilà donc peut être mun na am yoo xamante ne apte wala xamante ne apte na peut être wane ko mais en tout cas yii la wane fii quoi donc ngeen ñëw paramètre audio donc des fois da ngeen ci bàyyi parce que gis ngeen di ngeen gis nii par yii ay paramétrage la mais yii nii comme ñaar yi obtenir des obtenir des lettres wala donner des commentaires yooyu ay kii la quoi ni koy yooyu soko diriger da lay yóbbu Google pour nga def sa ay recherche ainsi de suite mais la plupart yi ngeen gis ni fi da leen permettre ngeen mën am des paramètres avancés quoi Yo, xam te newul fi voilà donc du coup len fi euh, paramètre audio soo leen duggee paramètre audio di ngeen gis sen son bi euh, voilà donc haut-parleur donc yaakaar naa bii boo bokkoon na sax si vidéo bu ñu defoon keroog voilà gis ngeen donc c'est une son bi et ainsi de suite voilà donc voilà microbi bi nice ainsi de suite bluetooth et et autres périphériques. donc je pense bien que vous yóbbuwaat fini fi ñu neew voilà gis nga fi la encore mais en tout cas dee len xol côté yi ni rek paramétrage fa donc déjà bii nii daf ñu raccourci la dal ben raccourci la bo xam tane si euh, personnalisation so vidéo personnalisation bu baax moy je vais si vidéo quoi voilà exactement donc vous ñu la Bluetooth avancé nous euh, avons autoriser les périphériques Bluetooth à détecter ce PC Mon nga autoriser comme vous nga ko bañ autoriser mooy Bluetooth soo soo taalee sa Bluetooth nga autoriser un appareil ñi donc voilà à détecter ce PC Vous tamit hmm, mun activer mais nous avons les périphériques Bluetooth voient le nom de ce PC voilà donc nous ne m'avertir quand un nouveau périphérique veut se connecter afficher euh, l'icône euh, Bluetooth dans la zone de notification. C'est bon aussi. Donc, ni euh, avancé Donc, ici, je pense pas que, voilà, voilà, pour déterminer si un port série est nécessaire, consulter la, la documentation. Voilà, donc, on a mobile port série, quoi, Donc, matériel. Bon, matériel Bluetooth, voilà. Donc, ici, il n'y a rien à changer, quoi. Voilà, donc, soit pareil, il y a une erreur s'est produite euh, lorsque Windows a enregistré vos paramètres. Les paramètres ne peuvent pas être débranché. Euh, donc peut-être peut-être euh, peut-être nous activons activé le Bluetooth parce que sans Bluetooth activer activé wu quoi Donc, ba on activer activé qu'est-ce que ça va donner hmm. voilà donc activé viens donc on va paramétrage parce que nous faits qui demul nag voilà ni bàyyi pourquoi parce que c'est à donner leur contenu voilà gis ngeen demna donc Bluetooth bi foog activer ko ba donc sans activer mon bultu bi quoi moo envoyer recevoir des fichiers via Bluetooth bës leen foofu ngeen qu'est-ce que ça va vous donner ñu vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour transférer sans euh, sans fil des fichiers entre cet ordinateur et un périphérique Bluetooth ou un ou entre cet ordinateur et un autre ordinateur Bluetooth donc il y a une idée. pour continuer identif euh, indiquer si vous souhaitez envoyer ou recevoir des fichiers donc ordinateur vous envoie envoyer ordinateur envoyer ordinateur euh, des des des euh, choses par Bluetooth donc c'est possible Vérifiez vérifier que l'ordinateur et le périphérique où vous prévoyez envoyer les fichiers et sans tension et prêt à les recevoir Moi madame, vous bu faites parce que des fois su euh, un problème de stockage le vendeur nar a de ordinateur da calculer ba pare da carrément li mënu ko donc dee ci ainsi de suite est-ce que tam as moins à jour parce que des fois ordinateur euh, du nangu des données yoo xam te dafa virus beaucoup de quoi ainsi de suite un am tuuti benn blocage du cinéma voilà dee leen ci aussi motax tax Roland ne la xoolal ndax fichier amul ben problème ainsi de suite recevoir ñu cette commande permet à votre ordinateur de recevoir des fichiers envoyés depuis un ordinateur ou un périphérique donc y a après so len duyé fi après vous allez avoir tout ce que vous voulez voilà parce que si naree dugg té man awma ben ordinateur wala ben appareil Bluetooth bo xam te bëgg ci envoyé dara voilà du coup vidéo bi sax day gudd après suñu def expérience bi quoi voilà donc du coup vous voyez donc dès leen ci bàyyi ci côté côté yi lii nii c'est très important des fois donc je pense très très bien par nañ fii waaw euh, nañ imprimante et scanner imprimante et scanner donc fii soo leen appareil comme euh, ben photocopieuse ainsi de suite Voilà, imprimante voilà fii ngeen koy ajouté mais toutefois bu leen fàtte ni mode bi euh, imprimante yi le sa ordinateur mën peut-être mën jël mais affiché quoi. mais lu gën a leer L'île, la manager, ni jël yi ni la mën jël la mel dal en fait voilà donc toujours fibre bu ko activer parce que soo leen ko activer télécharger via des connexions limitées sa connexion day jeex dina la eh, eh, dina la lu bari quoi en fait après voilà donc yi ni euh, Google la lay ouvrir les paramètres de résolution de problème voilà donc ça euh, voilà c'est pour imprimer ainsi de suite quoi voilà fait voilà donc nous souris donc je pense que voilà souris sur souris ici exactement hmm, choisir le bouton principal le bouton principal de la souris le bouton principal ça peut être gauche wala droite xam nga bon clic gauche wala clic droite donc yaay xool selon toi yo ban ngay def sa bouton principal donc fii mon sa man dal, sama ordinateur gauche là ko fekk donc mm, man na ko bay gauche quoi ainsi de suite voilà donc ça dépend de vous vitesse du curseur donc moi li lu ngeen gis nii li li bougé ni li li lu ngeen bougé nii vitesse ambi vitesse ambi vitesse ambi bi lañ nekk di wax ni vitesse du curseur visée du curseur man je vous permets je vous conseille une yokk ko ba mu sës voilà Soit vous ko vous n'aurez pas de problème voilà du coup il a a xam donc plusieurs lignes à la fois plusieurs lignes à la fois faire tourner la molette de la souris pour faire euh, défiler plusieurs lignes à la fois voilà donc écran par écran donc fii plusieurs lignes à la fois moi si vous avez sa souris vous pouvez nga un fu la neex comprendre moi maintenant mon euh, exemple Hmm, dugg en même temps génnaat euh, xol ben application ni duggaat ci xaaral exemple ba ma dugg fii Spotify ma xool Insusa Wadone voilà comme Aran. voilà comme ni. xaaral ma ma def ko mu ndaw mo exactement qu'est-ce que ça va donner attendez un peu Donc, vous bëgg a pas quoi wan exactement nous muy parce que y a une méthode pour xam utiliser tous les deux les ba am essayé xool bi nekk qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va donner voilà gis que. donc les la quoi est-ce que faire tourner la molette de la souris pour faire défiler plusieurs ligne à la fois donc molette bi fi, il fait référence à qui est venu que ça moi mooy un am benn cure voilà loolu molette la tout quoi molette mooy n'est nekk ci ordinateur fixe lui n'est nekk ci digg bi luy lui défile luy non, noonu ci digg ordinateur donc moi, mooy suy tourné non dafa mel ni comme ben rond la def quoi comme ben rond comme baram la melni, nii molette la tudd moi n'est que entre moment il entre clic gauche à clic droit voilà exactement donc bon non man je préfère ngeen bàyyi plusieurs lignes à la fois parce que plusieurs lignes ça me permettre yow ordinateur Euh, nous mun utiliser sans sans problème da ngay dugg fii génn fii dugg fii génn ainsi de suite day gën quoi mais ce qu'on fait à chaque page. yow page y yow tant que pa euh, rombo page bi yow deux défiler ainsi de suite quoi voilà indiquer le nombre de lignes à faire défiler à chaque fois bon bon ja mën nga ko def sans comme mais en tout cas le nombre de en tout cas ça dépend de vous quoi parce que loolu yëpp si fii la dépendre est-ce que da nga def écran par écran wala fekkee par par kii nga koy def euh, plusieurs lignes à la fois da ngay choisir le nombre de lignes nga bëgg ñaata lignes nga bëgg ndax cent lignes nga bëgg wala ainsi de suite donc fekkee plusieurs lignes la mun ngeen yokk lii ba cent parce ça ne fait rien Des gën a gaaw rek ordinateur voilà, ainsi de suite faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec la souris donc d'abord mel ni ma je me watch, wàccee ni ma def nii déjà dafa may wan loi may wan man oubé ma comprendre da lay wan lo xam te ay fenêtres yo xam te fermer ba paré wala voilà d'un ko fermer wala d'un réduire ba mais mon ci bi donc exactement lola la lay quoi donc toujours comme je leen ko waxee côté bi côté bi c'est très important parce que des fois des fonctionnalités avancées les liens de won quoi en fait voilà ajuster la taille du du curseur et de la souris donc bi defoon vidéo complet voilà ainsi de suite donc si vous voulez plus d'informations voilà dem moi en vidéo quoi en fait voilà donc fi modifier la taille de la souris donc fi c'est pour modifier la taille de la souris Vous avez des souris vous mu vous gis des souris je pense très bien que changer là, voilà je ngeen tur bi top, toog donc vous ngeen pas pas le wàññi ça dépend de votre humeur voilà voilà def ko en tout cas daal le souris bi vous mu arrangez rëy quoi en fait parce que des fois tu besoin que souris bi vous rëy nga changer ko couleur c'est pour modifier la couleur de la souris modifier souris bi couleur souris. comme ça des fois nga nous ko parce que des fois souris bi blanc fekkee dafa weex yow tu auras du problème euh, tu auras beaucoup de problème parce que des fois doo ko gis voilà donc je préfère ngeen def ko couleur wala noir sur blanc ainsi de suite yéen a xool daal fii lu leen neex ngeen def ko activer la rétroaction visuelle autour des points euh, des points de contact lorsque je je euh, je touche l'écran nii comme nu muy def nii day am lu muy feeñ day am euh, quelques lignes yuy feeñ quoi yi wane ni am nga foo nekk gis ngeen voilà exactement loolu la bëgg wax obscurcir et agrandir la, rétro, la rétroaction hum, visuelle pour les euh, points de contact. Donc, bi, aussi, c'est essentiel quoi. Paramètre du pavé tactile. Donc, paramètres du pavé tactile. Donc, bi, il faut que une fonctionnalité. Non, non, non, non, voilà. Bon, voilà, double. Donc, paramètre du pavé tactile. Donc, le pavé tactile, déjà, déjà, tu souris les mais déjà ajuster la taille du souris buñ fa duggé gis ngeen buñ fa duggé bu ñëwé fi paramètres paramètre du pavé tactile déjà egsi nañ ci deuxième fonctionnalité bo xam xam nga déjà souris lañ néwon mais egsi nañ déjà sur pavé tactile donc gis ngeen déjà donc des fois yi ay raccourci la dal ay raccourci la voilà donc dee leen ci bay xel dee leen ci bay xel bu baax baax voilà donc paramètre du pavé tactile ñi bëss fofu voilà vous ne pouvez pas vous du pavé tactile euh, voilà votre PC a un pavé tactile de précision voilà donc pavé tactile je pense très très bien ni est exemple euh, écran parce que des fois du du du du du hmm. du du ordinateur a am ordinateur voilà euh, écran écran bi kii la quoi écran bi digital la soo ko laalee day dem ainsi de suite quoi voilà donc du coup c'est pour cela motax ma am fonctionnalité bi donc fekkee tam amone fonctionnalité bi ngeen xam tam sen ordinateur bi la quoi en fait voilà donc fi ñoo activé nañ ko bu parce que fonctionnalité bi c'est déjà connecté quoi moo ñu conserver le pavé tactile activé lorsqu'une souris est connectée donc ici il n'y a pas de changement voilà sensibilité du pavé tactile Moi, yo, ça écran bi gis ngeen lu ngeen gis nii nii nii sama loxo bi laa jël teg ko ci écran modèle vitesse du curseur vitesse du curseur vitesse comme vitesse souris bi rek la quoi mais comme tablette la vitesse tablette lañ la ainsi de suite voilà donc appuyer avec un seul doigt pour euh, appuyer pour effectuer un clic simple double clic donc donc l'i activer leen quoi parce que ça va vous aider quoi donc l'i, ay fonctionnalité lo yoo xam te ne euh, saa yoo amul souris Ça yo amul souris fekkee sa ordinateur écran bi day dem sa souris bi ba mun nga jël ordre mun nga jël sa écran bi euh continuer bi quoi en fait gisoo fi mu ne la mun nga utiliser sa trois droits Ces trois euh, tout euh, say trois droits mun nga ko utiliser pour défiler basculer ba am essayer mon woon leen hmm, donc man nous avons réglé trois droits nous avons ko defee daf may euh, window recherche ok, donc simultanément daf may woon tout euh, may exactement le le le le fenêtre bi ma ainsi de suite disney donc avec les trois droits là, la ko donc avec les disney avec les trois droits ainsi de suite donc ce sont des fonctionnalités que xam te ne de permettre ça saa yoo sa souris bi yàqoo nga mën ko utiliser sur cet écran bi que sa ordinateur amna, amnako ainsi de suite donc il y a plein de fonctionnalités ici amna na quatre doigts ainsi de suite nous nga ko réinitialiser def ko selon yow ta manière quoi en fait voilà donc j'espère que vous l'avez permettre supplémentaire. supplémentaires donc je pense pas que c'est ah, ouais voilà bi, defoon nañ ko keroog defoon nañ ko si quoi vidéo bien passé saisir donc saisir fii bi sax defoon naa ci vidéo mon ngi ci chaîne bi euh, correction automatique d'orthographe ainsi de suite corriger automatiquement les les les les fautes d'orthographe donc les fautes d'orthographe gis ngène donc fi da qui est activé. pour en cas d'erreur mun la jàppale ainsi de suite ñu la ndax daf kay souligner donc permettre à cet ordinateur de souligner comme ça voilà il y aura pas de problème donc fi da qui est activé aussi activer les suggestions de texte en frappe euh, en cours de frappe sur le clavier c'est lui oui mhm. il yeb dal activer l'inco tout ça sont des informations am nice voilà na leen dit, quoi information sur la saisie je boobu ma hmm. donc ça c'est pas important mais l'essentiel ngeen de ko correct voilà donc voilà yeb activé leen activer activé l'inco ko émettre des sons au cours du frappe soyez soit tapé mu am benn son bu muy génn comme kat kat kat kat kat des fois su la neexee mën nga ko def su la neexee mën nga ko bañ a def commencez les phrases par une majuscule ça dépend de vous euh, fuyez les majuscules si j'appuie deux fois sur maj mooy mooy maanaam da nga koy verrouiller yow loo bës day day day kii quoi lépp majuscule lay doon du changer voilà ainsi de suite affichez le clavier tactile voilà donc lii yëpp mun ngeen ko voilà mun ngeen ko noter quoi améliorer la visibilité de la sélection de mon clavier donc c'est la même chose c'est la même chose si souris vite quoi ainsi de suite voilà faut la ñuy jëmale donc fonctionnalité je vais vous wax bon il faut que ngeen am un euh, stylo mais stylo bi gis déjà fii dafa dafa am stylo mais stylo bi dafa que a ànd un stylo. quoi dafa nar a ànd ak benn ta euh, plate bu ndaw quoi boo xamante ne foofu ngay bindee quoi voilà du coup lépp loo bind rek plate boobu day doon benn plate Bluetooth lépp loo bind day affiché ci ordinateur bi ainsi de suite donc nañ jàll exécution automatique exécution automatique exécution automatique donc fii ni mooy maanaam lépp loo xamante ne day dugg sa ordinateur bi rek ndax da nga koy exécuter automatiquement ou bien fii la utiliser le euh, l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphéries xam nga tamit lépp loo xam ne day entrer rek day exécuter automatiquement donc man dama ko activer mais fekkee USB la da ngay ne tout euh, euh, ça dépend de toi mun nga def toujours demander wala ne rien faire wala configurer c'est à toi de voir mais man toujours demander laa def comme ça saa yu ñëwee rek man ma mun a xam que ça soit carte mémoire téléphone mobile ainsi de suite téléphone mobile sax des fois gis nga da lay ndax da ngay importer ainsi de suite donc fii fi yëpp ay fonctionnalité la yoo xam te ne yoo yaay xool selon toi ordinateur wala euh, soo amee lu connecté si yow ndax day exécuté automatiquement wala day xaw wala day xaar yow nga autorisé ko ainsi de suite donc loolu yëpp war ngeen ko prendre en charge quoi en fait voilà di jégaluwaat bu baax si bruit bi parce que xam nga xale de suite. voilà donc euh, nous continuer USB Sur le USB USB mon fii da quoi, quoi m'avertir en cas de problème lors de la connexion des appareils Bon, c'est automatique quoi donc voilà quoi je je pense que jeex euh, paramétrage Bluetooth bi par un nañ donc prochaine vidéo inshallah, on va essayer de euh, d'attaquer application Bini. voilà. comme ça après vous dellu pas inshallah. ok merci beaucoup donc c'était là, voilà c'était Goudia Tutu en voilà. Et n'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à vous abonner. Hein? Abonnez-vous, voilà, comme ça, vous pouvez toutes les vidéos, quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup.